Yeni una falda yéen a ngi gis ambiance bi noonu du côté de l'ASC Lebougui gi yéen a ngi nemmeeku tamit ambiance bi du côté de l'ASC Léona Fada Taka bu ASC Léona Falta yéen a ngi gis noonu waa ASC Léona Falta ñu noonu sol yu bleu blanc yi noonu ASC Lebougui ñu noonu ñoo sol maillot yu rouge blanc yi noonu yéen a ngi dégg ambiance noonu yéen a ngi dégg ambiance bi noonu ci ñaari côté yi yëpp di ngeen ko am fii nii ci le Rufisquois TV en direct dans les le cours d'envoi ñu ngi noonu boo gisee stade bi tey nga dinañu fi nemmeeku ambiance boo xamante ne bu mucc ayib lay doon avec belle mobilisation du côté de l'ASC gi et l'ASC Léona yéen a ngi ñu jël bés bi tay ji parale ko ki nga xam ne moom lañu ko jàpp baas mooy acteur développement bu ñu ne libaas xel yëpp day noonu waaye ay see lébu gi ñu ngi noonu def li nga xam ne mu di bandroo gi nga xam ne moo di Pape Mbaye Jacques Gueye nekkoon benn kilifa ñi ci rendaale hommage ki nga xam ni moo di Bamba Ngom Sococim numéro 2 feu Bamba Ngom mu ngi noonu yéen ngi koy gis banderole bi noonu banderole bi mu ngi Soko Sim numéro 2, le feu. Nengi goy Kalian aja Mengenai Espoir sejam genbil ngi noonu li nga xam ne euh, le parrain du jour euh, mu ngi noonu libaas euh, ànd ak xaritam ànd ak doomu Paka Boy alias yéen a ngi koy gis noonu délégation bi koy dégg noonu ambiance bi di côté de l'ASC Lébou gi di du côté de Léona ngi noonu dans quelques le coup Valda ak ASC Lébou gi gis nañu parrain bi mu ngi noonu wàcc na saafontoo ak xale ñaax leen na mu ngi noonu dafa mel ni ñaari équipe yëpp noppi na mu di diggante ASC Lébou Gui de Rufisque ak ASC Léona Valda La première journée de la zone 1C avec euh, l'AIC Lebougui toujours en touche euh, qui reçoit euh, l'AIC Leona. Les Lions Rouges qui font face à euh, Léona Valda. Le coup d'envoi vient d'être donné. Voilà, avec Léona, ballon repoussé par Hassim Soumaré, le capitaine. Encore pour lui, toujours. Hassim qui lève la tête. Il a préféré jouer avec un contrôle crochet. Ça a réussi. On replie vers la défense. Et maintenant, c'est autour du portier de Lebougui. Attention, attention, attention. Attention. Il ne faut pas jouer avec euh, certaines erreurs. Ça joue maintenant du côté de la zone de Léona Ballon repoussé par la défense. Arbitre sifflé le coup de la Fra aux yeux. Le ballon n'est pas sorti. numéro 5 de l'Ebgui. Un euh, coup franc bien placé Un coup bien placé pour les bougies. Toujours avec Leona. Euh, Léona. Ballon dégagé en chandelle. Ça sort finalement en touche. Encore euh, les buggy. On joue toujours du côté de la défense avec le portier maintenant. Attention avec euh, cette mauvaise passe récupérée par le, numéro 4 de Léonard. Attention, attention. Qu'est-ce qu'il va faire Une bonne passe en profonde, Attention, c'est pas fini. Attention. Aïe, aïe, aïe, aïe, belle parade. Encore. Euh, belle parade du portier. <laughs> attention Bougui. attention Attention Bougui. Attention bougies Ballon repousser encore. L'arbitre a ciblé la faute en faveur des rouges. Et je suis en compagnie euh, de Djaou. qui est toujours à mes côtés. Djaou VIP. Il est là, on va commenter ensemble le match. Voilà, sortie de but. Dégagement du portier qui euh, va jouer avec Ouloum. Le ballon n'est pas sorti. Bien récupéré par le défenseur central de Léona. Repousser encore, attention, avec Wouloum encore, qui n'a pas pu euh, dévier ce ballon. Amna Gisfi le Bouguidani Otal, Otal Otal li xalé yi di wax ootal wax na baat bu yag mo bu yag ootal dañi ootal wa wa, waa mais attention parce que lewna a nek une ah oui ñom ñom ñom ñom possession possession de balle bi. ah oui il faut le dire attention avec ce centre mauvais centre aïe aïe aïe aïe qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu euh, lever 那联合国。 Salut partout, on est à la 19e minute. Voilà le portier qui reçoit un verbal. Encore euh, lors long dégagement de Khassim Soumaré. elle euh, ballon sorti, en touche en faveur euh, des Blancs. मुझे होता तो इसमें मर जाओ उसे बस बस आ रहे थे ऐसे पैक से मुंह खींचे के मार के वो सांस ले सुलेमान चालो ऐसे पैक से मुंह खींचे के मार के ঠেকে আমাকে Ulum ki gene dungin dernier intervenant na tax qui ouvre le score à la 23 troisième minute. C'est bien lui. C'est Papa Demba Oulou qui vient de marquer le but à la 23e minute. Et voilà les Lions Rouges Il pas a pas de la part de Ngaï aux yeux, Amour, ton Ambaou, merci beaucoup. Yusuf Ambaou de l'AC 4 Merci beaucoup à vous tous. Ça du bien du côté de

Dès que nous ñoo yëgal suuf de oh, oh c'est magnifique ah Il est dangereux le buteur, il s'appelle tout simplement Oulou. but euh, inscrit à la 23e Ah oui, euh, c'est magnifique. Ce qui se passe dans les tribunes avec les lions rouges. avec euh, les supporters de la Bougie, Mais Léonard n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, c'est le portrait de Léonard. Le portrait de Léonard qui reste au sol. am na ku ma laaj ambiance ma ne ko rek il va plonger dans l'ambiance il va tout de suite vous plonger dans ambiance Orbit a à zéro. Pour euh, la SC Alebouki. A0. à zéro. Excusez-nous pour le son. Ça va rétablir tout de suite. On a sorti euh, deux jeux Attention, attention avec cette frappe Directement vers le portier de euh, Le Bougie. Récupéré encore Oulou qui n'a pas pu euh, contrôler cette balle. Ça sort à nouveau en touche pour les, rouges. Encore le Il n'y a pas faute, dit l'arbitre. Il n'y a pas faute. Encore Fofana. Bien joué. Ça joue bien du côté euh, des rouges. Attention. avec ce, centre. Mauvais contrôle. Il est poursuivi. Il est poursuivi par le capitaine euh, de l'Ebougui. Il s'agit de Soumaré. Attention, il va accélérer. Centre contre, Centre contré. Merci beaucoup à Lamine euh, Conté. Euh, nouveau dégagement de Hassim Soumaré. Attention, encore euh, Suleiman. Belle sortie euh, de balle. Bien joué. Encore Fofana. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, que c'est beau. Ah, c'est la même portée de la de euh, Ngalam. Un but à zéro pour les Bougui. But euh, inscrit par Houloum. À la 23e minute, Encore une nouvelle récupération de Léonard. Encore une frappe. Déviée par le portier. La frappe euh, était si bonne. Mais elle est contrée. Mais je pense qu'on joue le premier, le premier, corner de cette rencontre. On joue, le premier corner de cette rencontre. Il est tiré. Diamagon, euh, je nous quatrième heure. Match commencé, cool. aca depuis Espagne Abdoul Mbaye Diakhaté nous nga la Léona Encore un nouveau coup franc

Euh, le portier. Le portier qui dégage tranquillement son ballon. Il a bien vu. Il a bien vu. On à la 35e minute. Trente-cinquième minute, encore un nouveau coup franc. Un coup franc bien tiré, dévié par un défenseur. Ah, l'arbitre sifflé le coup franc. L'arbitre a sifflé la faute. On toujours du côté des rouges et blancs. Encore euh, une belle sortie. Sortie de balle. Une accélération. C'est réussi. Encore Ouloum euh, qui se demande. Il demande le euh, ballon au premier poteau. Attention avec ce nouveau centre. Dégagé de la tête, mais c'est pas fini. Ah, c'est encore Fofana. Dégagement du euh, défenseur central de Lerna Attention avec cette perte de balle. Attention. Attention avec euh, ce ballon de euh, Lerna ñoom itam contre nañu centre ça joue bien du côté des blancs ça joue bien du côté de Léona encore une nouvelle récupération des blancs de Léona ça y a y a perdu encore Attention, euh, euh, l'arbitre a ciblé la faute. L'arbitre a sifflé. Encore une nouvelle faute. On couvrir encore pour euh, l'équipe de l'Evra qui est menée depuis le 23e minute. le coup est bien tiré. Oh. Attention, encore, encore là. a ciblé encore une nouvelle fois, toujours un but à zéro pour un but à zéro pour l'équipe de Le Attention, au nouveau ballon, attention, on voit ça, attention, une frappe. Frappe par terre, le ballon a été euh, dévié par euh, le défenseur central. Olmo de qui se bat pour récupérer ce ballon. Malheureusement pour lui, le ballon est sorti. Le métrage pour le euh, les, les pour le rouge toujours. Ballon perdu, perdu. Bien joué et belle sortie de ballon de la part des Blancs. Ça joue bien du côté des Blancs. Ça joue bien. Bien joué, l'arbitre devait revenir sur la faute. Il devait revenir sur la faute. 2 deux minutes de la pause. Attention avec euh, ce nouveau centre. Ah, belle remise du buteur. Mais il n'y avait personne. Attention, avec ce nouveau centre dégagé de la tête, c'est pas fini. Et, euh, dans le logo, euh, Abdoulaye, Abdoulaye euh, Noy. Bien vu. Je le contrôle de Racine Soumaré. Ah, le ballon est sorti, mais il est applaudi. un joli contrôle. Le ballon repoussé par Suleiman. Ah, c'est Suleiman qui a sorti le ballon. encore le portier, mais l'arbitre ne va pas tarder à donner euh, le temps car les 45 minutes euh, sont bouclées. Il n'y a pas faute. Ah oui, l'occasion de cette première partie. Coup bien porter. C'est pas fini. Récupéré pas Suleiman. Attention. Avec ce compte, Suleiman qui accélère. Il y a Wouloub qui demande le ballon au second poteau. Suleiman, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Oui, il y a penalty. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a penalty, mais la ne l'a pas accordé. Euh, il y a penalty, oui. Il y a penalty. Il y avait penalty. Et c'est la mi-temps. Lendeng, Lendeng m'a gagné. C'est l'année qui a gagné par 2 euh, buts à 1. C'est l'année qui a gagné par 2 buts à 1.